le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Messieurs, dames, si vous êtes à l'écoute, sachez que vous êtes en direct sur le studio Kalangou. Il est 18h, votre rendez-vous quotidien, le forum de Studio Kalangou. Diallo Mariama Kenda au micro, très ravi de vous retrouver. Les artistes qui représenteront le Niger au huitième jeu de la francophonie à Abidjan sont connus. Ils ont été présentés vendredi dernier par le ministre de la Renaissance culturelle, Asmana Malamissa, lors d'une cérémonie culturelle organisée par ce ministère au Centre culturel Omar Ouganda. Pour parvenir à ce résultat final, une présélection avait été organisée avec la participation de cinq régions. Nous verrons comment les choix ont été faits, les disciplines qui sont retenues et l'enjeu pour le Niger dans cette édition. Je ne suis pas seule pour ce soir. Je reçois pour vous quatre invités. Nous avons Moukaila Haruna, chef de division spectacle vivant et loisirs ministère de la Renaissance culturelle. Bonsoir Moukaila. Bonsoir. Il a été le président du jury national pluridisciplinaire lors de la présélection qui a eu lieu le 4, euh, du 4 au 6 octobre 2016. Lui, c'est le célèbre écrivain Adamou Idé. Bonsoir Adamou. Bonsoir. Parmi ces invités, nous notons la présence de Temuko Amani, professeur de danse à l'école de formation artistique et culturelle et responsable de la compagnie Gabero et de la troupe Soukabe. Euh, bonsoir. Bonsoir et un quatrième invité qui n'est pas dans ce studio, mais que nous aurons tout à l'heure à, l'antenne. Lui, c'est monsieur Joël. Il est professeur de danse euh, contemporaine et de hip-hop. Euh, nous allons donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, revenir avec lui, mais ce sera au cours de cette émission. Euh, je le disais, le ministère de la Renaissance culturelle, des arts et du développement social a précédé vendredi dernier à la présentation des artistes sélectionnés pour représenter le Niger au 8 jeu de la francophonie. C'était au Centre culturel au maruganda CCOG. Nous y étions. Voici notre reportage. C'est par une belle chorégraphie qu'a débuté la soirée culturelle de présentation des artistes. pas harmonieux de danse contemporaine exécutée par une dizaine de jeunes. Malgré la méconnaissance de cette danse par les Nigériens et des difficultés pour répéter, l'encadreur de l'équipe, Kafando Idrissa, nourrit beaucoup d'espoir. Il faut dire que pour cette création-là, on a eu vraiment moins de temps, environ 8 jours, un truc comme ça. Donc on a fait vraiment un travail qui était un peu commandé, quoi. C'était difficile, mais comme ils sont un peu professionnels, vers la fin, ça a payé ce que vous avez vu. Vous y croyez Vous avez beaucoup d'espoir quant à, à ces jeunes J'y crois, j'ai beaucoup d'espoir. Voilà pourquoi on est là, et voilà pourquoi on travaille, et voilà pourquoi on ose se représenter, se mettre en danger sur scène pour voir ce que ça va donner. Pareil pour le hip-hop, une danse qui est mal perçue au Niger. Ismaël, encadreur du groupe Étrange, le groupe hip-hop qui représentera le Niger à ses huitièmes Jeux de la francophonie estime que malgré les difficultés, le combat mérite d'être mené. Ça a été plutôt difficile euh, parce qu'on manquait de fonds, mais quand même euh, on, s'est un peu débrouillé pour trouver des trucs, pour pouvoir un peu colmater les différents problèmes qu'on a eu parce que vraiment c'est pas facile. Quand il s'agit de hip-hop, en tout cas c'est mal vu on va dire dans ce pays parce que euh, quand on parle de hip-hop les gens pensent délinquance, drogue il pense à pas mal de choses, que du côté négatif. Mais moi, je pense que grâce à ça, on va essayer de montrer aux gens que le hip-hop, ce n'est pas que ça. Le hip-hop, c'est un langage. Ça te permet de parler de pas mal de choses, de la vie, etc. Voilà. Pour le ministre de la Renaissance culturelle, Asmana Malamissa, c'est une équipe compétitive qui a été retenue à l'issue de cette sélection. Le sentiment que j'ai aujourd'hui avec les prestations que je viens de, voir, c'est que euh, véritablement le jury ne s'est pas trompé. Nous avons eu des jeunes talentueux, nous avons eu des troupes bien organisées et cela nous met en position de nous dire il faut dégager les moyens, il faut dégager le temps et il faut mettre l'encadrement dans les conditions de les suivre, de leur donner euh, le maximum de compléments pour que ces prestations-là puissent être de, haute posture et être véritablement les meilleures pendant ces Jeux de la francophonie. Le rendez-vous est donc pris pour le 17 juillet à Abidjan. Alors, vous venez euh, d'entendre euh, le reportage, d'écouter le reportage que nous avons réalisé lors de cette soirée euh, de la présentation des artistes qui représenteront le Niger au huitième jeu de la francophonie. je me tourne vers Munkaila Aruna. il est chef de division spectacle vivant et loisirs, ministère de la Renaissance culturelle. Alors, comment est-on arrivé à ce résultat final Je parle bien sûr de, l'équipe qui euh, sera à Abidjan. Voilà, merci. Je remercie le studio Kalangu de nous inviter ici pour parler des huitièmes Jeux de la francophonie à Abidjan 2017. Mais avant de répondre à votre question, il est important de faire euh, la, genèse de ces présélections-là. On était, on était en, 2000, en 2015 le ministère avait demandé, euh, comment on appelle, au moment des fêtes tournantes maradi colia, de sursoir, de à la thématique décentralisée qu'on avait attribuée à Maradi, à Maradi, pour demander aux régions d'amener les neuf disciplines qui seront au jeu de la francophonie. Donc, les neuf disciplines-là, nous les avons choisies parce que nous savons que nous avons des encadreurs capables de former ces jeunes-là pour les Jeux de la francophonie. Alors, quelles sont, les, sont ces, neuf, ces neuf disciplines Les neuf disciplines, nous avons la danse de création et d'inspiration artistique et, d'inspiration. Nous avons le chant, nous avons le hip-hop, nous avons, et comment dirais-je, euh, la nouvelle, nous avons la nouvelle et, la, marionnette géante. Euh, et le conte. Et la, peinture et la sculpture. Voilà. Et la photographie. D'accord. Ça fait beaucoup. <laughs> Adamo Idé, merci. Merci aussi d'ajouter. Donc, ça fait neuf. On va revenir, euh, en tout cas, sur ces neuf disciplines. Allez-y. Donc, voilà. et nous, euh, au moment de partir euh, et pour la fête tournante de Maradi Kolia, les autres, et nous avons eu les malheureux événements, comment on appelle, euh, qui sont survenus à Tifa. Donc les autorités nous ont demandé de sursoir à la présélection et de ces, de ces jeux-là qu'on voulait faire à Maradi. Donc c'est ainsi que nous avons laissé tomber et que c'est ces derniers moments, nous avons, et on a relancé le point focal euh, et L'Organisation internationale de la francophonie a relancé le point focal, son point focal qui est ici. Donc c'est en ce temps-là que nous avons enclenché, relancé la machine de la présélection. Et la présélection, nous avons invité maintenant toutes les régions d'amener leurs artistes à Niamey hein, pour la présélection. Bon, avec le temps, parce qu'on est à des moments vraiment des moments difficiles, hein, toutes les régions étaient là, mais pas dans toutes les disciplines. Mais quand même, nous, nous tenons à les saluer Hein, de leur présence ici. Alors vous dites que toutes les régions étaient là, pas dans toutes les disciplines. Euh, quelles étaient ces disciplines qui n'étaient pas bien sûr présentes Bon, presque toutes les disciplines étaient présentes hein, parce que je reviens pour dire que c'est le ministère qui n'a pas choisi toutes les disciplines qui sont en, en, concours au jeu de la francophonie, comme l'installation, la jonglerie et autres, dans lesquelles nous n'avons pas d'encadreur pour former nos artistes. Donc, nous sommes, nous, sommes dit, parce que nous voulons apporter des médailles. Nous voulons apporter des médailles. Il faut avoir des, des encadreurs hein, pour suivre ces artistes-là. En jonglerie, en installation et autres, nous n'avons pas vraiment des experts, nous n'avons pas d'expertise dans ce domaine-là. Donc, on a dû vraiment mettre de côté, comment on appelle ces disciplines-là, pour s'en tenir aux disciplines dans lesquelles nous sommes sûrs d'apporter des médailles au Niger. Et donc, ce sont ces neuf disciplines. Et ce sont ces neuf disciplines-là. Euh, voilà, donc euh, euh, nous allons bien sûr poursuivre cette émission, mais nous allons faire une petite petite pause et écouter un extrait d'une pièce théâtrale qui a été jouée au cours de cette soirée, soirée de présentation des artistes qui représenteront le Niger au huitième jeu de la francophonie. A'a wai ina gaya mata ne da an ɗarmo a ka gaya mata eh, ko ko min shaf shaf ne madam ina wuni <laughs> eh, ba eh. hawaras ma wai shaf shaf ke yaya babban yaya ke ma magana haka ina an gaya ga sanan tai ga yawa yawa yawa barka da zuwa dai kai eh eh ina sauran mutanen naku barka dai yawa haba a sun iso eh tsaya ta kwana kai zo na jama'a wanga yaro shi ne na baɗiyata yaron nan mai adili ne yaron nan babu kamar shi a duniya inda a ce duka mata sun samu irin wannan ai da sun huta baban yaya kawo bakin ka. san hola mun banza mijin hajiya a cikin zari'a mu wa kaga mace tana mawanka take take haba mai har mace ta zo gaban ka tana take take kai ayi niyya a taya doki amarya a je a gyara ta a kawo mu angon ta ita haba maza haba mai gida haba mai gida ni bai kan wani wo hasaro sarau bai ni kan dirga wati fo ci malle je wai kin di hin kai zai kan ni ga san mu ga ni hai mo tarra wai su ko sai dai nim ka ga sai wai na hai mata arme shab-shab. ya din gane ko ci a masar shab-shab. kan ni ga ba ga hijawo te ko ci wannan ha ni na hala ga bara kenan mai gani ko kya fundo gursu gandi iyata zaki ci sai na tambaya zan yi mata arme kai ba ke ba Voilà, c'était donc euh, un extrait de cette pièce théâtrale qui parle du mariage euh, précoce. Je parle sous le contrôle de Adamou Idé. je vous le disais, Adamou Idé est donc euh, ce célèbre écrivain que tout le monde connaît aussi au Niger. Et, une petite question, c'est tout à l'heure nous avons entendu, c'est vrai, une pièce qui a été jouée ici et c'est en langue. On veut savoir comment est-ce que, est-ce que euh, à ce rendez-vous à Abidjan, il y aura aussi la possibilité de s'exprimer en langue. Euh, oui, parce que le, le, credo de la francophonie, c'est justement la diversité culturelle. Et donc, dans certaines compositions, il est tout à fait permis aux artistes de s'exprimer dans leur langue. Voilà, je pense que le français est là, mais aussi chacun a la possibilité de s'exprimer dans sa langue. Vous étiez, vous étiez le président du jury national pluridisciplinaire lors de la présélection. Parlez-nous un peu de cette étape. Bien, voilà, comme l'a retracé tout à l'heure mon collègue là, de, du ministère, le ministre a eu euh, l'amabilité de nous faire confiance pour euh, constituer un jury pluridisciplinaire afin d'apprécier les œuvres euh, que les régions ont présentées dans certaines disciplines. Comme il l'a dit tout à l'heure, nous avions neuf disciplines choisies mais les régions n'ont pas toutes compétit dans les neuf disciplines. On peut revenir sur ces neuf disciplines. On reviendra là-dessus. Euh, maintenant, le jury, il faut quand même vous dire un peu la composition parce que c'est important de savoir. Allez-y. Il y a Ados euh, Ado Mamad qui est un conteur euh, que tout le monde connaît. il, représente des artistes au CSC. Souley Abdullah qui est un photographe professionnel, Achiru Garba qui est également un photographe et journaliste, Maman Sani Moussa qui est danseur chorégraphe, qui a obtenu également le premier prix mondial de hip-hop en Italie, à Rome, en 2011. Il y a Yacoub Moumouni Danke que tout le monde connaît à Niamey, hein, donc il n'est pas à présenter. Il faut seulement souligner il a représenté notre pays au jeu de la francophonie à Montréal. Et il a obtenu une médaille. Donc c'est quand même une personnalité de la francophonie qui est connue. Il y a Alishina Alakay, qui est président de la compagnie Les Tréteaux du Niger, qui effectue beaucoup de tournées dans le monde entier. nous avons également un danseur hip-hop qui est Abdul Karim Maman Barmou, voilà à peu près la composition du jury que j'ai eu l'honneur de euh, présider les 27 et 28 septembre. Parce que notre euh, mission, c'était de voir euh, pour chaque région, là où elles ont compéti, de choisir trois, trois œuvres et de les classer par ordre de mérite selon les critères définis par les instances de la francophonie. C'est vrai que toutes les, toutes les régions n'ont pas démérité, mais est-ce que vous pouvez peut-être souligner euh, la différence entre les différentes régions qui ont pu participer à cette présélection Oui, bien sûr. Euh, il y a par exemple, si nous prenons la région d'Agadez, euh, Agadez a compéti dans quatre disciplines la nouvelle, le conte, la chanson et la danse d'inspiration. La région de Difa a compétit dans deux disciplines, conte et peinture. La région de Dosso dans une seule, la nouvelle. La région de Maradi en conte, chanson, danse d'inspiration, danse de la rue qu'on appelle hip-hop, peinture, photographie et marionnettes géantes. La région de Tawa en conte, danse de la rue hip-hop. La région de Tidaberi en nouvelle, en danse d'inspiration et en sculpture la région des Zender en nouvelles, chansons, danse d'inspiration, hip-hop, photographie, sculpture. La région de Niamey dans toutes les neuf disciplines qui sont nouvelles, contes, chansons, danse d'inspiration, hip-hop, peinture, photographie, sculpture et marionnettes jantes. Voilà le tableau des compétitions qui ont eu lieu. Alors, quelles sont les, régions qui ont présenté ou du moins où les artistes euh, ont plus été retenus pour participer, pour être à ce rendez-vous à Abidjan Bien, euh, donc euh, nous avons entendu, entendu parce qu'il y, avait des chansons, mais vu aussi toutes les prestations des, des, régions, que ce soit en compte que ce soit en nouvelles, que ce soit les expositions de peinture ou, de sculpture. Donc nous avons visionné tout cela. Et au vu des critères euh, qui sont définis par euh, la francophonie, une appréciation a été faite dans chaque discipline, puisque nous devions proposer trois par discipline. C'est ça, notre travail qui a été fait. Euh, je peux vous dire, par exemple, les résultats que nous avons proposés au, ministres. ministre. en nouvelle, nous avons choisi Niamey en première position, suivi d'Agadez et de Zender. En compte, DIFA, qui est en première position, suivi de Maradi et de Niamey. En chanson, c'est Niamey, Agadez et Maradi. Danse d'inspiration Niamey, Maradi et Zander. Peinture Niamey, Maradi et Difa. Ensuite, en sculpture, Zender, Niamey et Tilaberi. Photographie, Niamey, Zender et Maradi. C'est au vu de ces trois propositions que euh, euh, la francophonie a monté une équipe internationale, des experts qui vont venir apprécier les propositions que nous faisons. Et c'est au vu de cela que euh, la cérémonie la représentation a été faite. Et ça veut dire qu'il y, a eu une sélection après cette présélection, mais qui a été, euh, comme on le dirait, gérée par un jury international. Voilà, oui, c'est des experts qui vont. Voilà. Et est-ce qu'on peut dire que cette compétition, si je peux m'exprimer ainsi, a été serrée ah oui, beaucoup, très très serrée même. Euh, les, disons, les artistes ne sont pas faits cadeaux euh, il y avait d'abord l'enjeu de la région, mais à notre niveau, c'était un enjeu national. Euh, nous ne pouvons pas réfléchir euh, sur les intérêts d'un artiste, aussi talentueux qu'il soit, ou sur les intérêts d'une région. Nous, nous avons le souci de donner au Niger les meilleures chances pour euh, remporter plusieurs médailles à ces rencontres amicales. Alors, euh, Moukaïla, euh, Moukaïla, chef de division, je disais Moukaïla Aruna, chef de division du spectacle vivant et Loisir, ministère de la Renaissance culturelle. Est-ce qu'à travers ces présélections, à travers cette compétition, on peut dire que le Niger aujourd'hui regorge de jeunes talents hmm on était un peu dans la genèse. Après, la présélection, donc il y a eu la sélection. Et vraiment, à travers ce qu'on a vu et ce que le jury international a retenu, hein, on ne peut être que fier de ce qu'ils ont retenu. Et nous sommes sûrs que hein, nous allons remporter des médailles. Et nous savons de la façon dont Zender a fait sa prestation en danse. Ceux qui, ont, ceux qui étaient là l'ont vu. Et, et, Maradi aussi, je suis sûr que hein, le responsable de danse de Niamey, il a frissonné. Hein, il ne pensait pas qu'il allait vraiment sortir gagnant. D'accord. Parce que ça veut dire que vraiment la chose a été vraiment d'un haut niveau. Et je remercie vraiment, je remercie vraiment les, les, les actifs de l'intérieur du pays, parce que quand ils viennent ici, ils viennent vraiment en perdant. Et on a vu vraiment au Franco qu'ils sont venus vraiment en gagnant. Surtout d'IFA, hmm? cette région où on sait que euh, cette insécurité, le problème donc de l'insécurité prévaut. Nous allons revenir à vous. Euh, nous partons donc pour le hip-hop, euh, hip-hop, une, discipline qui sera aussi présente lors de ce rendez-vous comment se porte cette danse qui est appelée danse de rue Avant la réponse, nous allons euh, partir pour une petite balade musicale et c'est avec euh, le groupe Kaidangaskia. Nous avons commis d'un sens des crimes et des péchés, quel être humain pense que Dieu a toujours existé C'est Dieu qui donne la vie, mais les gens montent aussi la vie. Quand je pense à Nazareth, combien de mon père de la vie Tu ne te rappelles la présence de Dieu que s'il t'arriverait malheur et quand tu es heureux, tu ne penses pas que c'est lui qui a fait ton bonheur. Lorsque tu t'aperçois en face d'un danger, dans Gaskia, un groupe euh, qui a fait le beau temps et la pluie, il a euh, le beau temps euh, au Niger, qui continue d'ailleurs de le faire. Je le disais, c'est un groupe hip-hop. Nous allons donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, être en contact parler avec Joël, Joël Moulay, qui est donc professeur de danse contemporaine et hip-hop. Alors, Joël, bonsoir. Euh, vous êtes donc, euh, je l'ai dit, professeur de danse contemporaine hip-hop. Et comment, comment se porte euh, cette danse au Niger Tout d'abord, merci de, m'avoir invité. Bien que je ne suis pas sur le plateau, merci de m'avoir invité à l'émission. Merci à vous aussi. Donc, je dirais la, la danse hip-hop ici au Niger euh, va très bien. Parce que vous savez, là, bien, bien qu'on pratique cette, cette danse-là, c'est artistiquement parlant, c'est vraiment difficile, quand vous comprenez, le domaine artistique, mais on fait avec. Donc pour vous dire, ici au Niger, la danse hip-hop, ça va très bien. Qu'est-ce que je veux dire par ça va très bien euh, il y, a des excellents danseurs, des, talentueux danseurs hip-hop ici au Niger. Alors, Joël, ce que, ce que j'aurais dû vous demander peut-être, c'est d'abord la danse hip-hop, comment cette danse est née On l'appelle danse de rue. On peut savoir pourquoi, comment elle est née. Ah, ok, ok. Très bien. Euh, merci de. J'aurais dû commencer par là. Oui, oui. Bon, la, la danse hip-hop, bien sûr, comme, comme on vient de le dire, la danse de rue, ça, ça vient de la rue, vous comprenez Donc euh, la, danse, la, danse, la danse de la rue, elle est née dans les années, disons, dans les années 80. Et c'est un peu, c'est un peu dans, les, quartiers, comme, comme on le dit dans le jargon, dans, dans, les, dans, les quartiers, euh, dans les ghettos, vous parce que c'est un peu même aux, États-Unis. C'est dans les ghettos que la, danse hip-hop a évolué. N'hésitez pas sur le thème, c'est bien sûr le ghetto. Tout le monde sait qu'on dit le ghetto. Allez-y. Voilà. Donc, euh, la danse hip-hop, la, danse de la rue est, née même dans les années 80 aux, États-Unis. Et même dans, les ghettos, les danseurs se, mettaient dans, la rue pour euh, faire des, improvisations, pour ne pas dire freestyle, parce que la danse hip-hop, c'est, comme on dit, la danse de la rue. Au début, les danseurs de la rue euh, ont utilisé cette danse-là, c'était pour, euh, pour euh, s'affronter. Qu'est-ce que je veux dire par s'affronter Quand deux clans dans, dans un quartier, dans, dans, un bled, là, des, des guettomards, comme on le dit, ils ont des différends, vous voyez, pour éviter d'être en contact physique, vous comprenez, pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis de, ces, de ces deux groupes-là, vous voyez, ils, ils se donnent rendez-vous dans, dans un quartier et là, ils s'affrontent, mais en dansant en fait. Donc c'est pour vous dire que la danse hip-hop, c'est la danse hip-hop, c'est déjà un moyen, la danse en général même, c'est un outil de, une manière de communiquer de, transmettre un message. Alors, est-ce que, est-ce que Joël, est-ce que c'est pas pour ça qu'on dit peut-être que cette danse est une euh, danse entre guillemets des voyous? Parce qu'on a, on a aussi entendu Parisot, qui est l'encadreur euh, euh, du groupe, qui, qui voilà, de Etrans, qui en tout cas nous a fait ce témoignage. Est-ce que c'est pas parce que cette danse est née dans la rue, avec ce que vous venez de dire, que Mhm. Peut-être que les gens pensent que c'est une danse de voyous et qu'en réalité, euh, cette danse n'a pas trop, trop de portée. Euh, vous savez, c'est vrai, euh, les, gens, les disent que non, la danse, la hip-hop, c'est la danse des voyous, ou bien dès qu'on te voit danseur même, on, t'affiche automatiquement un autocollant sur, ton front, quoi, que tu es un voyou. Mais non, au contraire, la danse hip-hop, comme je viens de le dire, c'est c'est un moyen de d'expression. Est-ce que vous comprenez C'est vraiment au-delà de, de, ce que les, les gens euh, s'imaginent de la danse hip-hop. Sérieusement, la, danse hip-hop, c'est comme je viens de le dire, dans les années 80, c'était pour dénoncer ou montrer le mécontentement. vous voyez Ici, ici, ici au Niger aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire mhm. que cette danse, je sais que vous avez commencé à développer euh, tout à l'heure cette question, est-ce qu'on peut dire que cette danse a, quand même de l'avenir Oui, en tout cas au, Niger, la danse hip-hop a vraiment de l'avenir. C'est vrai, au début, dans les années 2004, je, parle de notre génération, vous comprenez euh, en, 2004, la, vraiment la danse hip-hop avait, avait pris il y de, tellement de danseurs hip-hop de, 2004 à quoi dans, les années 2004-2012. Mais et après, les, danseurs, les danseurs hip-hop, ils ont commencé à, lâcher un peu. Moi, je me suis dit, et peut-être parce que euh, euh, les responsables, les, danseurs, ils, ont du mal à trouver un, un lieu de répétition. Parfois, ils, répètent même dans, leur chambre ou même dans un quartier. Difficile, difficile condition de travail. On va revenir à vous, Joël. Nous allons partir avec une danse. Vous restez en ligne et on reviendra, si le temps nous permet, sur cette question. Cette danse, c'est la danse de création et d'expression. Et ce que j'ai envie de vous demander tout de suite, euh, Monsieur Temogo, est professeur donc euh, de danse euh, à l'école de formation artistique et culturelle responsable de la compagnie Gabero et de la troupe Soukabe. C'est d'abord ce que c'est la danse de création et d'expression. En fait, c'est la danse de création et d'inspiration traditionnelle. D'inspiration, pardon. Traditionnelle, oui. C'est-à-dire, on s'inspire de la tradition et pour créer cette danse. Et dans le jargon francophone, c'est la danse contemporaine. Oui, c'était. Ah, j'allais en venir à cette question. Okay, d'accord. C'était la danse contemporaine, donc la danse actuelle. Maintenant, euh, après les cinquièmes jeux, je pense, après les cinquièmes jeux de la francophonie, la, francophonie a revu euh, cette méthode d'appellation. Et maintenant, c'est ils ont ils ont opté sur la danse de création et d'inspiration et danse de création et d'inspiration. Euh, est-ce que c'est une danse qui est, qui est vraiment connue ici au Niger ben, ben, La compagnie Gabero était la première compagnie de danse contemporaine au Niger. Et je, me rappelle quand nous, on avait commencé à pratiquer cette danse, les gens du ministère, excusez-moi du terme, ils nous appelaient, et euh, ils disaient comme euh, nous faisons du karaté. <laughs> <laughs> D'accord, du karaté. Vraiment, il, disait que nous... Bon, en tout cas, il se moquait Quoi crois que ça ressemble un peu à ça, on a eu l'occasion d'assister à une scène. Oui. Ça se fait avec beaucoup de gestes. En tout cas, euh, la majorité des gens se moquaient de nous parce que gabiro euh, Gabero a quitté euh, des prestations chorégraphiques. par exemple, on imitait les artistes. On, on imitait, on faisait des chorés sur le son des artistes étrangères. Maintenant, on a changé de cap. Après après beaucoup de formations et on a changé les dons. Donc, on a opté pour la danse contemporaine. Mais quand on avait commencé, vraiment, c'était, c'était mal compris par tout, d'abord par le public et par nos cadres du ministère. Mais, mais Dieu nous a donné raison. Maintenant, c'est cette danse qui est vraiment pratiquée par presque tous toutes les régions du Niger. Et j'ai l'impression, vous me direz si c'est une fausse impression, que cette danse aussi suscite beaucoup d'espoir pour, euh, pour, euh, pour les responsables du ministère parce que je l'ai, on l'a constaté lors de cette soirée. En tout cas, les gens étaient vraiment contents, les, regards étaient vraiment rivés et il y avait beaucoup euh, de cette expression d'espoir. De, Adam Oui, vraiment ce que vous dites là est extrêmement vrai parce que euh, les gens étaient pris par la danse. On était tous dans le spectacle qui a été euh, présenté. C'était extrêmement émouvant. Le thème choisi est un très beau thème d'actualité. L'esclavage. Et, et, vraiment, c'est de la pure beauté. Euh, c'est de la poésie, si j'allais dire. Hein. <laughs> c'est vraiment poétique. Peut-être une incise. C'est pour revenir sur le hip-hop parce que euh, c'est mal considéré. Et moi, je m'inscris en faux sur cette opinion. Quand on voit, euh, il a bien décrit que ça permet aux jeunes de faire des battles pacifiques, donc de régler des problèmes de euh, d'adrénaline ou autre. Sur le plan pacifique de la danse, la danse est une expression. On s'exprime, on dit quelque chose, et ça permet de régler des problèmes dans la société. Vraiment, c'est une fausse idée. Euh, c'est vrai, au début, ça, ça, prend du temps. Nous, les, parents, on, voit que c'est mal. Mais enfin, au fond, c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut peut-être encourager. Je suis toujours avec euh, le professeur euh, Timogo. On parlait tout à l'heure de cette danse magnifique, une danse d'expression de, où il y a beaucoup de gestes. Comment euh, arrivez-vous euh, avec ces, jeunes Comment faites-vous Je veux dire, vous écrivez un scénario, c'est des idées euh, pêle-mêle de, de, tous ces jeunes. Comment ça se passe Vous savez, la danse de création, c'est d'abord le thème. Vous, amenez un thème où vous, vous lisez à tout le monde, voilà le thème que je voulais, j'ai choisi que ce soit un thème d'actualité ou bien que ce soit, en tout cas, un thème, c'est un thème. Maintenant, quand tout le monde a compris le thème, et moi, je, je, crée les pas de danse. Je crée les pas de danse et maintenant, et on chorégraphie ça. On chorégraphie ensemble. Maintenant, on laisse, on propose. C'est-à-dire, quand je propose, je dis voilà, c'est vrai, je suis le maître mais c'est pas tout ce que j'ai dit qui est bon. Et je, je, je veux l'apport des autres aussi pour que la chose vraiment soit, en tout cas, plus jolie ou bien plus belle. Maintenant, je demande l'avis des autres. Voilà ce que j'ai proposé. Est-ce que vous pouvez ajouter là-dessus Et chacun me donne ses idées. Chacun me, me donne ses idées. On propose ensemble si ça peut, ça peut aller avec le thème on le prend. Si ça ne peut pas, on le met à l'écart et on propose encore. On propose et c'est comme ça. Et la danse là, ça ne finit pas maintenant. Hein. En tout cas, chaque jour a sa forme de, de, de, changement. C'est une danse de création, comme on le dit. On va on va donc libérer Joël, mais en lui donnant euh, la possibilité de, faire une dernière intervention s'il est toujours euh, en ligne. Joël, vous êtes avec nous? Oui, je suis Voilà, donc, euh, euh, je le disais, on parlait des conditions du, hip-hop. Euh, dites-nous pour terminer très rapidement, et quelles sont ces, difficultés aujourd'hui que rencontre cette danse Oui, donc les, les danseurs hip-hop, les danseurs hip-hop, sérieusement, les danseurs hip-hop répètent dans, dans des conditions vraiment pas trop, je sais pas comment comment l'expliquer, mais pas facile. Oui, parce que vous voyez, ici, c'est vrai, nous avons, nous avons pas mal de centres de jeunes. Hein. et moi, en tout cas, j'ai eu à, remarquer qu'il y a beaucoup de salles, euh, de, centres de jeunes qu'on n'exploite pas. Pourquoi ne pas, ne pas amener ces, danseurs hip-hop-là Pourquoi ne pas laisser ces danseurs hip-hop-là occuper euh, ces, centres de jeunes Parce qu'on a, on, a plein de, centres de, jeunes ici à Niamey les, laisser ces jeunes-là occuper ce centre de, de jeunes comme un centre de, de, répétition. Pas seulement pour la danse hip-hop. Là, je parle euh, euh, en général, même les, les, les autres disciplines de, la danse, même la danse contemporaine, mais précisément la danse hip-hop. Parce que sérieusement, hein, les, danseurs hip-hop, vous voyez, aujourd'hui, ça va un peu, ça va un peu hein, par rapport aux années antérieures. Aujourd'hui, la plupart des danseurs hip-hop, je vous dis, la plupart des danseurs hip-hop ils, se, retrouvent tous à la MJC Et vous vous imaginez et, ils le font avec leurs propres moyens non, en fait, la, directrice de, la MJC, Dieu merci, la directrice de la MJC, elle, nous laisse faire nos répétitions. Euh, on ne paye pas, en fait, vous comprenez Oui. Donc, du coup, plus de 5 ou 6 groupes se retrouvent et, dans le même centre en train de répéter. Et ce n'est pas intéressant, vous comprenez la, la ne, peut pas suffire à, tous les danseurs. Il y, a, il y a tellement de. Vous c'est tout ça qui fait que beaucoup de danseurs, ils, abandonnent à, à, mi-chemin, vous comprenez Ils se disent que non, que nous, on répète, on, on, trouve pas, on, répète pas dans des bonnes conditions. C'est vrai, ces conditions-là, il nous les faut, mais bon, il y a aussi, il faut avoir aussi une certaine condition, vous comprenez, et une certaine patience aussi. Joël. Donc, oui. je, je, je... oui. Oui, excusez. Donc, en tout cas, c'est ça que j'ai remarqué, moi, depuis l'année que j'ai commencé à danser. On a, on a, on a toujours ce problème-là, mais là, ça commence à, commence à changer. Mais euh, difficilement, ça, n'avance pas trop. Je ne sais pas comment on peut changer. C'est avec le temps, on peut, on peut changer ça, c'est vrai. Et tout ça, je pense que si si le, ministère, si le ministère de la Renaissance culturelle, parce qu'on parle de la Renaissance culturelle, je vous jure, hein, ils peuvent, ils peuvent changer tout ça. Parce que on a tellement de, actuellement, on a, beaucoup de centres de jeunes qui sont même, et euh, comment dire, que les artistes n'utilisent pas. Des centres des jeunes qui, sont même plus, qui sont quand, vous partez même, vous partez même euh, dans ce centre là il n'y a, y rien qui se passe dans, ce ces centres-là. Mais pourquoi ne pas laisser des, artistes, des artistes danseurs ou des artistes même venir répéter Alors... de les laisser répéter dans la rue ou ils, vont se débrouiller à répéter chez eux ou dans la chambre. Joël Moulin, nous avons, nous avons la chance d'avoir euh, un cas de ministère ici. En tout cas, euh, nous vous disons merci infiniment de votre participation euh, à cette émission. et, je crois que, comme je l'ai dit, Monsieur Munkaila est là, il va répondre rapidement et, et après nous donnerons donc la parole à, à la danse contemporaine, la danse de création. Voilà, merci. Joël, merci. Sûrement, tu, tu, restes, à l'écoute. Moi, je crois que c'est même la politique, ça, c'est la politique du ministère. Hein. On a créé des centres des jeunes dans, tout, dans presque tous les quartiers, dans presque tous les grands centres de Niamey. C'est pour amener ces centres-là, hein, la proximité avec les adhérents. C'est à ces jeunes euh, danseurs-là d'aller vers les directeurs, hein, essayer d'intégrer leurs équipes de programmation pour qu'on puisse leur donner vraiment un temps de répétition dans ces centres-là. C'est très facile. Hein? Et eux-mêmes, pourquoi ils sont là C'est juste pour faire euh, pour, pour qu'ils puissent animer vraiment les centres. Et qui, qui va animer ces centres C'est ces jeunes-là. Hein? Donc, euh, vraiment, tu es en contact avec ces jeunes. Il faut leur dire d'aller vers les directeurs hein, euh, d'aller vers le docteur, demander un temps, vraiment un créneau horaire pour, pour répéter dans ces centres-là et faire vivre les centres. C'est même pourquoi les centres ne, ne, sont pas, ne vivent pas comme tu es en train de dire. Il faut que ces jeunes-là vont vers les centres. Hein? Ils intègrent et répètent et animent les centres. Voilà, merci. Alors, euh, euh, je reviens vers vous, Monsieur Temogo. Conditions difficiles de travail, on va aller rapidement, on a juste quelques six minutes. En tout cas, euh, Joël a parfaitement bien parlé. Seule la musique a un centre, le centre de formation de CFPM. Et les danseurs en général, pas le hip-hop seulement, les danseurs en général n'ont aucun espace pour travailler. Ce qu'il a dit, c'est vrai, parce que vous ne pouvez pas être à 10 groupes, 10 groupes à la MJC pour répéter. À quel moment Tout le monde veut répéter au même moment et en même temps ce n'est pas possible. et ces, centres, et ces centres dont vient de parler. Euh, les euh, centres sont déjà animés par des, des, clubs de karaté, des clubs de dandalis, des trucs comme ça. Hein. Donc vous ne pouvez pas aller déjà, eux ils sont déjà basés là-bas. Vous ne pouvez pas aller s'infiltrer dans leur programme pour dire que non, donnez-nous un espace pour, pour, euh, danser. il, va, il va terminer, oui, il va terminer, hein. monsieur. Donc euh, vraiment, nous, monsieur, il, termine et après. Vraiment, les conditions sont très, très, très difficiles. Et Joël, et Joël, euh, est-ce que vous confirmez ce que vient de dire Temogo Est-ce que tous ces centres sont, sont vraiment animés par, par d'autres clubs Oui, c'est vrai. en tout cas, je confirme ce que monsieur, monsieur Ayouba a dit moi, en tout cas, personnellement, je, suis témoin, je suis témoin de, de, tout ça. Mais bon, voilà quoi. Alors, euh, euh, oui, bien sûr. Euh, les hippopistes là doivent s'imposer. Ils doivent s'imposer. Hein. Les centres, ça appartient à tous les jeunes pas seulement à ceux qui font Dandali ou autres genre. Hein, Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire Qu'est-ce qu'ils doivent faire si ces centres sont animés par d'autres vers ces directeurs-là, essayer d'intégrer les équipes de programmation pour que les programmes, on donne à chacun un créneau horaire pour venir Je ne refuse pas, hein, il y a des difficultés, il y a des difficultés. <coughs> Mais c'est leur droit et ils doivent aller s'imposer et avoir leur créneau horaire. Au lieu que de quitter à pour venir à Djadesekou, répéter. Mais mieux vaut rester. Hein, dans le centre des jeunes de Talayé, hein, qui est tout près de chez toi. Hein, ça te demande, te demande pas un sou. Oui. voilà. je voulais dire quelque chose. Et les centres dont le, le, le, cadre du ministère dit, ce n'est pas praticable pour les danseurs. Ce n'est pas possible. Et pourquoi Parce que la danse a ses règles. La danse a un espace pour, pour, pour la, faire. C'est-à-dire, euh, les centres dont il dit, c'est des, des, juste des terrasses, la boue. Hein. Alors qu'un danseur, vraiment, si tu veux être professionnel, il faut d'abord un miroir pour te regarder. Il faut euh, une moquette ou bien un tapis de danse pour répéter. Pas, pas suffisamment de matériel. Ces, centres ne sont pas adaptés. Ah, en tout cas, en aucun cas. Nous allons faire intervenir euh, Adam Ouidé qui est aussi là. C'est vrai que vous pouvez aussi avoir un point de vue à donner par rapport donc à cette situation. Oui, euh, ce que les danseurs disent, euh, c'est émouvant parce que on peut pas demander à quelqu'un de se perfectionner avec des conditions de très bas niveau. ce que nous avons vu, c'est que vraiment on a besoin d'investissement pour encourager euh, tous ces talents. Les investissements, c'est quoi C'est le minimum d'équipement en son, en ingénierie de musique, en espace aussi. Parce que c'est ça un peu la danse. Vous avez vu tout l'espace qui a été occupé par les danseurs. L'occupation de l'espace est un des critères d'évaluation. Donc il faut qu'ils occupent bien l'espace et c'est pas dans la boue que cela va se faire. Donc c'est un appel qu'on lance au ministère de faire encore un peu plus pour doter les, jeunes des moyens nécessaires à, leur talent. Alors c'est bien dit, c'est pas du tout un procès contre le ministère de la Renaissance culturelle, c'est un plaidoyer, monsieur euh, Monsieur Munkaila. C'est pas du tout, ce que bon voilà, d'accord. Donc allez-y rapidement parce qu'on peut clôture dans une minute. <laughs> Merci. C'est juste pour revenir un peu en arrière parce que ceux qui nous suivaient, ils ont vu que nous avons cité hein, plus de plus de neuf disciplines. Donc c'est pour leur dire qu'il y a les arts de la scène qui sont neufs, hein, et il y a les arts plastiques aussi. Hein. Donc il y a une différence. Hein. Donc c'est les arts les arts de la scène qui sont neuf disciplines. Mais le jury international a gardé huit disciplines que le Niger va présenter au huitième jeu de la francophonie. Mais les arts plastiques qui sont trois, ils restent intacts. Voilà. Fidèles auditeurs, euh, vous étiez donc euh, en direct le studio Kalangou, l'émission Le Forum du studio Kalangou. Tiemoko, c'est vrai que vous avez des choses à dire, je vous vois, mais on n'a pas ce temps. Joël, merci infiniment euh, d'être resté à, notre compagnie jusqu'à la fin de cette émission. Monsieur Munkaila, pareil, merci. Adam Ouidé, merci à vous. Merci à tous. Le rendez-vous donc est pris pour demain à la même heure.